qui accueille la fada c'est suka gayyace mu maraba da zuwa bisa kan shirin na studio Kalangu ke chaque samedi et dimanche sur les ondes de nos 46 radio partenaires justement aujourd'hui on a installé la fada chicken a chicken sou. Kausen combien mégahertz 94 mégahertz voilà, <laughs> ils maîtrisent bien, ils maîtrisent bien, ils maîtrisent bien, ils sont connectés, ils sont câblés sur la FADA grâce à nos 46 radios partenaires. Muna nan Jahar agress, Agras garin Arlit da petit deuxième. Har yanzu deuxième fari ne ba a canza komai va Ok, il faut que ku ƙara kwatanta min harkokin kenan parce que akwai abubuwan da suka dan kubce min a nan. <laughs> Zone minière à 250 km au nord-ouest d'Agadez. Sai dai garin <laughs> ah zahi. Ah, ah ah zahin dai. <laughs> Akwai zahi kuma dai hanya dai wallahi an kama ji kai wannan hanya ba ta rago je vous le dis en plus du travail dans les mines et les autres opportunités d'emploi da take ba matasa tsawon a ce shiyar shekara 40 en 47 ans d'exploitation des mines matasan garin sont aussi branchés entrepreneuriat kowane irin business ne suke yi a wannan garin ils vont aussi nous donner des tuyaux sur les opportunités d'affaires da ganin nasu ya kumsa nous aurons également la rubrique et l'affaire de Mr Dondi et la chronique qui sera présentée par notre chroniqueur chouchou Oli ça va c'est comment tu vas bien Oli tu vois moi je prends mes marques hein. Nina ça va arlitinga encore bien ah, installé je te <laughs> jure bah, ça je suis tu vois non ouais tranquille ok on a quoi revenu aujourd'hui ben écoute aujourd'hui je vais parler de mon vécu ce que j'ai vécu pour arriver à Arlit oh donc vous avez tout compris quoi. <laughs> On va se raconter à la fin. <laughs> ok, à tout de suite. <laughs> Don mu ji daɗin wannan hira muka zo muka ɗora a yau à Radio Kausen 94. Justement, Comme invité, nous avons Maisunana Rabi Ibrahim. Elle est la présidente de la coopérative Kyoto Mata elles sont dans la couture, c'est ça Ça va Il y a Harukoki. Il y a Aiki, Anna Tereshi, Toi, sois la bienvenue sur Tout ça, Nous sommes avec Issoufou Jeda Hassan. Il est le président de Kio Bungasrakasa. Ah, vous, vous êtes dans l'élevage. Hakaneko Yani Nadama Alhamdulillah. Ça va C'est chaud, hein Parce que je vois que ah, Aboubouan. hein. <laughs> hein. sai anan bincika miya ma dabobin ke ci anan dabbobi suna cin ciyawa kala kala okay ana dan kama da haka na To. <laughs> Allah taimaka. Amin amin. Nous sommes avec Ali Ousmane, lui il est le président de Noma. Touchant Arziki. Touchant Arziki. Gaskiya ne wannan. Ta, ils sont dans l'agriculture. Ah euh, gaskiya Comment se porte l'agriculture? Ça porte bien wallahi. <laughs> Aha. Mhm. Wacce agriculture ke wani ni ne ke ruwan ma sai a hankali. Aha, OK OK OK OK d'accord. <laughs> OK, donc c'est plutôt le maraîchage. Hein. Eh maraîchage. Super. Nous sommes avec euh, Maya il est le président de l'AJAP, membre du conseil communal des jeunes ça va Bonsoir, ça va Yanni Comment vous allez Ajab, il faut que tu m'expliques. Comme tu l'as dit, eh, moi c'est Moussa Maya aussi je suis le président de l'association des jeunes actifs pour la promotion de la paix et de l'environnement, c'est ça Ajab. Ok. Comment est Super. Ah Sois le bienvenu sur tout ça la Nous sommes avec euh, Shamsou Hashimou, il est le deuxième vice-président de la CITMA. Un kabu kaboud un Souma, son est fadam. Voilà, nous avons tout autour de nous d'autres jeunes qui sont là à la fada. Soyez tous les bienvenus. Dans cette émission de Tous à la fada, nous allons évoquer les opportunités d'affaires qu'offre la ville d'Arlit, surtout connue pour la richesse de son sous-sol. Yanzu direct zanzo tambe a tatafari. Ina so in san cikin wata sana'a kake bari in fara gare ka gaba na isufu. Cikin sana'a kiwo. Sana'a ta ka kiwo exactement yani kaman précisément Mhm. Mm. muna kiwo a na arlit mm. muna da kungiya mm. wadda muka haɗu mu 20 aka ba mu farmasiyon daga fafka muka haɗu muka yi kungiya wadda yanzu irin kiwon da muke shine eh. za na gaya miki mm-hmm. muna kiwo ne muna ɗaukan tamakai mm-hmm. da raguna ƙanana wanda ba su kai shekara ba in za mu fara kiwon daga cikinsa akwai wanda ake ce ma balami akwai uda akwai ragon dutse wanda na jiha agadas okay. wala muna zama mai nazari muga ina ne za mu ta yi muna zuwa adar bisan ko rta ko gugaran mu mu saro su da arha mu zo muna da allurorinmu da magungunanmu ta yadda aka ba mu farmasiyon muke yi mu wata uku bayan wata uku kuma mu hudda mu saida amma kan mu saida ta dalilin farmasiyon da muka samu ta entrepreneuria muke fita cikin gari muna zuwa wurin mahauta muna gaya musu muna da kungiya kaza tana wuri kaza ga inda mm, muke da zama su je su leka su mm, gani wala ta haka nan dai muke markin mu haka nan muna samu yan kwarori suna zuwa suna gani ta haka nan muke sai da kayan wani lokacin ba ma sai mun tai kasuwa ba ah ben c'est sa. ba mhm, mhm. Eh, ina tare da Shamsu Hashimu kai cikin kungiyar yan ta da yan kabu-kabu kake to ina so in sani sabilin da yasa kai ka fara wannan sana'ar taka Eh, to salamu alaikum na farko dai yawanci duka dan adam za a cewa kowa na da objective in shi a rayuwa mhm. yana so ya ga abin da zai yi a rayuwar shi mm. wanda zai kai shi har ga cimma gurin shi mhm, mhm. wala na farko kenan abin da ya samu gwamna shana kenan na biyu kuma yau baiwa lamura sai na zirga-zirga sai da kai da kawo kuma yawanci karahuna yau duk sun mamaye yawanci harkokin mutane da wanda suke yi Displacement kenan ko? Yana kawo mutane sauki bisa harka wannan zirga-zirgar mutane ne da mm. kullum. Sannan kuka nura yau akwai wanda action inda zai bisa tafiyar da harkokin shi sai a sama. Don ka bala a traversa muna kan mutane saukin zirga-zirgar su. Mm. Eh. To dama kawai da kawar sana'a kai wannan ce kawar ita. e to za a cewa ita na fara amma ba ita kadai ba muke a halin yanzu amma ita kadai kake ba kuma da hallo da me kake wala don ka akwai butik nan da ba balagi shi ma muna dan tattabawa inda aikin taba nan taba taba nan ne mm, kana da kanti to Allah ba da sa'a abin sai an kakkama <laughs> eh, in dawo wajen ki rabi farkur kinki aka yi ka fara wannan dumkin har ka zama yau president kin kungiyar mata masu dumki eh kamar ina ra'ayin abun mm. kuma ina so in zamana da gindina ba sai wani ya bani ba ko na tsa ina ta roƙo gurin wani don haka nan na shiga wannan abin kuma na samu kaina bisa kan kungiya aka ɗora ni president kuma aka yi finan saman mu kuma muke na muke ga waya ma da aka buɗe mu kamar ga shagon da aka buɗe mu he muka maida ta bisa kan kamar menene ke da suna kamar ta mata inda eh, dai mata za su mm, zuwa dai wanda za su suna koyan hankin hannu mm-hmm. su ma a koya musu okay mm. kamar fuwaye zama fuwaye kenan duk wanda ya zo yana so sai a koya mai mm. kuna da matan da da suke zuwa eh muna da mata wanda suke zawa a harka koya musu a cikin shago dako to yanzu <clears throat> in na gane kenan ku duka kuke kenan duka kamata wato da ke da ku a duk kun kakkama kun kakkama kowanne ko ko ina iya sanin akwai kamin da dan liste kwa menene harkokin da wannan garin na ku yake badawa kamar wani na so ya zo nan ga yaje yin yamma abin da ya kakkama ku ba mu ciyo da kai zan fara ko eh, mai yake sanusi to babu matsala eh, mun gode sosai da isidu kalangu tous à la fois dans ce cas Zoyo Garmo Arlit. C'est vraiment un plaisir. Merci pour l'accueil aussi. Merci hein. sincèrement. <laughs> et on vous souhaite un très bon séjour ici à Arlit. Merci kamar yadda kuka tambaya ne gaskiya akwai opportunity d'emploi sosai a garin Arlit ga wanda mai sani ba ya kamata ya dawo. Arlit au fait il faudrait le dire c'est vraiment une Afrique en miniature. Okay. Ba Nijar bace kadai ya plusieurs nationalités Arlit. Du coup, abin da ka sa a magaba za gani uwanin shi. Donc il y a plusieurs yanzu an ka zo an ka diba matasa da ke kabu-kabu da wanda suke ɗinki ga wanda suke noma ga wanda suke eh, harkar elevage mhm. kowa yana nan ga diba ya ga wata irin valar ajite zai kawo cikin wani gari saboda ka a nemi wani abu a rasa sarta alita an santa da sai ce société minière société minière eh wannan certes il y a des sociétés minières mais maintenant société minière c'est comme une une vie ouais à côté akwai voilà à côté eh, akwai duka karshen shi wannan karshen yanzu na gwamnati ya zo kowa ya sani mai kenan ka gani matasa mai kamata kuma su dinga kullum basa gan bazan baska society millionaire dole ne sai sun zo sun yi ne kamar yadda wanka diba yanzu duka cikin tayyata ta duniya ake tattauna na entrepreneur da shi mhm. shine yanzu matasan garin arli sun war ganewa ils sont trend train d'entreprendre pour pour en tout cas être to shine akwai abubuwa da dama yanzu ka duba ka gani akwai eh, masu gyaran harkokin moto masu karar harka wani energy solar duka wasu mhm. electrician sai da shan kifonsa kuma igam biyan larvi opportunity okay. ko opportunity donc vraiment ça c'est des comment il a été c'est des secteurs da sector wanda legion excel gaskiya wala sosai ma wannan sector ne wanda gaskiya ana samu sosai da mu kuma an mm. kadi ba yanzu gani kasuwa kasuwanci mutane akwai wanda suke kasuwanci na hannu suke sarrafa dala take koma dala biyar take koma kargo kaga shi ma abu ne da dama wanda shi ma an ka ifoke sai ka samu iya yanda zai kai shi matasa sun gane shi suna iya yi tunda nan suna taya a Lagos sa zona zuwa eh Kano suna ta suna kawo kaya suna taya mm-hmm. Niamey kuma suna sai da mm-hmm. akwai aleri da dama to kai kuma Ali Usman? Oui. President kin noma tushen arziki. Ina so in sani, me yasa ka sa kanka cikin wannan secteur kin précisément na noma vu que ana nan gasitan quand même les zones où l'agriculture ça marche on va pas. Ça ma ce da amit tu vois un peu. Ina so in sani ya aka kai ka sa. Saboda wannan tunanin ne da mutane suke da. okay eh na can cikin Niger sai in ce sai kowane da an yi zancen ana zancen noma ba a sa arlit to mm. shine na samu experience da wajen formation ta yadda ake ah, yin shi ake yin shukoki. okay eh, to muharin kenan na ce to bari da haka ne mu wajen ven ne muka samu wannan formation mm. yawa mi crayon cooperative mm-hmm. wanda za mu nuna wa mutane da kai arlit eh, duk kowane irin ice muka iya sawa insha Allah kuma ice zai resir kuma kawai in shirya buhuna na kai eh, shirya buhunan ki wani albasa wani ne duka za mu iya kwasa saboda mutane da <laughs> dama eh, insha Allah ah, ah, moringa ba <laughs> saboda mutane da dama his ce a ah, noma bai yi arlit a ah, wannan kamar hudi ne suke yi kawai noma yana yi arlit mana eh sai an gwada ake yi kenan mm. insha Allah kuma kun gada kuma a a gashi muna cikin yi ma kina gani ba ci gasa ina sai inda ban mi da ya ke gani yanzu tunda <laughs> da muka yi kiran yanzu shekara uku cikin ta hudu kuma alhamdulillah mm. kenan inda ban mi da yanzu mun watsi inda abun bai sha kenan alhamdulillah zamu ci yanzu garan arlit noma muna yin shi bakin gwalgwado ko muna hudu abu kuma ba irin na dawa ma wanda an ka hudu abu ya yi yawa za ka ga gashi na ana zub da shi a mu yanzu har wa muke kenan muna transforming in shi eh. har sarrafa shi muke mu shi cikin dan lododi haka mu dan aje shi ya samu shekara guda eh irin eh. wannan wanda yawwala duk lokaci ka ce ba sai season ba ka ce sai season kaza zan samu kaza zan samu kaza a ah, no kenan kin wani ci gaba eh, ne kenan ko sabrodi <laughs> la sabrodi Mais ça marche eh, ici, quoi. Oh là là, c'est bien ça, il n'y a pas que les mines. Ah. vous l'avez compris, ah, surtout ça, la fada à Arlit, il n'y a <laughs> pas que les mines. Sur ce, on va aller du côté de la rubrique. Cette fois-ci, connais la rubrique Tachi, de Waihira. Et on se retrouve juste après, ici même à Arlit. Petit pari, hein. Ok. deuxième pari. <laughs> Oh, on deuxième, maman. Petit, <laughs> Deuxième. Donc, deuxième pari. On se retrouve juste après la rubrique de Missadondi. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Et tout ça la Fada est une émission spéciale consacrée à la jeunesse du Niger, reparti dans les quatre coins du pays. L'artiste s'exprime est une rubrique de cette émission citée en début, une rubrique qui donne l'opportunité à nos artistes de s'exprimer. Donc, nous parlons ici de l'art et de ceux qui le pratiquent. Nous avons l'habitude de recevoir sur cette émission des artistes chanteurs, danseurs, écrivains, peintres, cinéastes, comédiens. Il n'y a jamais un sans deux. Aujourd'hui sur ce numéro, mesdames et messieurs, les ladies and gentlemen, nous allons recevoir dans quelques fractions de secondes un artiste humoriste influenceur. Il occupe la toile. Eh, il est connu de tous. Mais sur cette émission, nous allons euh, plus parler de lui pour permettre à tous qui kiffent cette émission, comme je l'avais dit à l'instant, dans les quatre coins du Niger, à travers nos 46 radios partenaires et à travers nos sites télévisions, de savoir un certain nombre de choses sur Issa Limouris. Yes. How do you feel, mon frère Comment tu vas Je vais bien, très bien. Dis-moi que tu pètes la forme, s'il te plaît, ou bien c'est la forme qui te pète. J'ai la forme, mais je l'ai pas pété. Ou bien tu pètes la forme. J'ai la forme, mais je l'ai pas pété. Tu l'as pas pété <laughs> Il a la forme, mais il l'a pas pété. Vous avez certainement compris. Ah, ça va bien Oui, ça va. Ah, super. Alors, Issa Limourous, à l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle À l'état civil, on m'appelle Issa Salaubarmou. Issa Saloubarmu est né en quelle année en 97. Donc ça fait quoi 24 ans. 24 ans. 23 ans. Ah <laughs> Alors, il c'est cette la bienvenue. Alors, tu vas me parler, euh, n'est-ce pas, un tout petit peu euh, de comment est-ce que tu es venu hein, euh, dans la comédie, hein, parce qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, tu es humoriste confirmé sur les réseaux sociaux, tu es un influenceur. Moi, personnellement, je te suis et je sais que la jeunesse nigérienne aussi, une partie de la jeunesse nigérienne te suit et te kiffe déjà. Parlons un tout petit peu de tes débuts sur cette émission, c'est important pour permettre aux jeunes de plus te connaître. Ouais. Donc, euh, j'ai débuté la comédie, euh, c'était en 2016. 2016 2016. Ok. Quand j'étais encore en terminale. Quand tu étais en terminale En terminale. OK. Donc, on avait commencé avec les amis qui sont encore à Maradi. Mhm. Là, on avait une chaîne YouTube qui s'appelait euh, Colomnia Fada C'est à Maradi, au quartier Bourja, juste derrière la gendarmerie. Ok, vous avez commencé quoi Avec les amis c'est à la Fada, tu viens, comme nous, on présente l'émission à la Fada, vous venez, tu fais rire tes potes ou on, on, filme avec les, téléphones avant. Ah, ok, vous faites même des. Des euh, vidéos, oui. normalement, quand tu vas sur ma, chaîne YouTube, oui. il y a encore d'autres vidéos. Vidéo de Maradi. De Maradi. Ok, ah, donc après, il y a eu le bac. Tu as eu, le bac. Euh, J'ai eu le bac les autres ont échoué. <laughs> non, mais c'est pas ce délire. <laughs> mais c'est pas ce délire C'est quoi hein? ça <laughs> uh-huh. Donc, quand on a fait ça, après, il y, y a ceux qui sont partis euh, au Sénégal, il y a ceux qui sont partis en France et tout ça là. Moi j'ai dit je vais rester au Niger. Ah, ok, tu vas rester au Niger et pourquoi Pour continuer ce que tu as commencé oui, Parce que j'avais l'amour de la comédie. Ah, c'est la, comédie, la comédie qui t'a fait rester ici au Niger Qui m'a fait tu, tu avais la possibilité de bouger, mais tu t'es dis, dit, euh, bah, bah, je dois rester pour au moins apporter un plus à ma culture. Oui, en étant en France, aux États-Unis, ou bien en Algérie, au Maroc, je ne pourrais pas peut-être faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça qui t'a donc motivé, euh, qui t'a plus motivé. Et tu as pris ton inscription à l'université de Niamey Non, non. Ok. J'ai fait l'inscription à l'IAP. Super. Euh, tout comme fait dans un deuxième angle, on va parler de ta page et de tes projets, de tout ce que tu as déjà de disponible. Mais pour l'instant, parlons des difficultés que vous avez l'habitude de rencontrer, les difficultés que vous rencontrez présentement euh, euh, dans ce que vous faites. Ouais. Les difficultés, il y en a vraiment une tonne. Il y, a, un cahier de 300 pages. Il y a une... <laughs> cahier de 300 pages. Eh, Issa Hasseini, euh, ou Fabega, cahier de 300 pages. Mais il veut énumérer les difficultés <laughs> euh, qu'il rencontre dans l'exercice du métier. Ce n'est pas du tout chose facile. Je sais, je sais, je sais. Bon, donc, euh, ce qu'on rencontre souvent, c'est. le manque d'acteurs. Ah, manque de quoi D'acteurs. D'acteurs. Hum, si tu remarques, c'est. Mais généralement les mêmes. C'est pas vous le même docteur ou bien Oui, c'est ça. Généralement, c'est les mêmes acteurs. Ok. Mais on veut d'autres têtes, tu vois, dans les Ah, pour avoir plus de. Pour avoir plus de, visibilité, peut-être. Quand toi, je te fais je peut-être tu es mieux que ceux avec qui je, travaille. Mais toi, tu m'as jamais sollicité, je pouvais oui, C'est ça. C'est ce que je t'ai dit. Ou bien il me faut. Après, après, il y a les filles aussi qu'on ne trouve pas facilement. Quand tu dis à une fille de venir faire une vidéo comédie, elle va penser que c'est le porno que vous allez faire. <laughs> c'est pas bon. Eh, eh, eh. tu abuses, mon frère. <laughs> Il y a, ceux qui regardent ça comme c'est comme si c'est tellement nul. Tellement c'est pas bien. C'est pas bien. elle peut même s'imaginer des choses quoi. je préfère m'aller faire ça que faire, de faire, du porno. <laughs> non mais c'est pas c'est c'est <laughs> Mais c'est ça aussi l'humoriste. <laughs> Donc du coup, ça fait partie des difficultés. Parlons de la production. La production Et là-bas, vous n'avez pas de difficultés Non, on a, sérieusement, sérieusement des difficultés. Une équipe derrière vous ou bien vous faites les choses C'est nous-mêmes. Tu vois, quand par exemple on filme, quand c'est une caméra ici, quand moi je suis pas dans le plan, hein? toi on prend, c'est toi qui filmes. Donc c'est là que vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout le monde dans le Il faut que quelqu'un soit euh, derrière la caméra. Donc, quand on vient en plein d'ensemble, même s'il y a un passager qui passe, au dessus de le <laughs> Mais financièrement, vous vous retrouvez À quoi À ici Ça va. Ça va Ça peut aller. Ça peut aller. Ça va Ça, peut aller. Ça, fait deux. Ça fait deux. donc une ironie. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est que je ne sais rien. L'ironie socratique. Merci en tout cas, Issa euh, Mais euh, avant de finir cette rubrique, est-ce que tu as un mot à lancer euh, à l'endroit de cette jeunesse à l'endroit des personnes qui peuvent vous accompagner. À mon nom, président du rythme du Niger, le soutien qu'on veut, c'est pas le soutien que vous connaissez déjà. C'est le soutien financier, le soutien moral, mhm. le soutien peut-être de partage. Vial. Vial. Voilà. <laughs> de vie. <laughs> tu vois Le soutien de vie, le soutien de partage, de commentaire. Tu vois, souvent quand on fait des vidéos, quand tu regardes, même si ça te plaît pas, tu n'as pas évolué souvent commenter. Commenter et tu likes, tu commentes, tu, tu, Ça va permettre à d'autres personnes de, voir. De, savoir. Parce que souvent, quand je mets une vidéo sur Facebook, quand, même toi, si tu mets une vidéo sur Facebook, quand il y a peut-être 100 vues, et il y a deux commentaires. Facebook va dire que non, voilà, cette vidéo n'est pas intéressante. Il y a que deux personnes qui ont commenté. Ah. C'est pas intéressant. Ils vont pas montrer ça à d'autres gens. Ah. C'est ça qui ah, bloque. Donc, euh, Mais quand il y a de l'interaction, il y a beaucoup qui commentent, qui Et eh, ils montrent la possibilité à d'autres de voir. c'est comme, ça que ça se passe. Donc, votre force, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Pour l'instant. Mm. C'était donc euh, Issa Limouris, mesdames et messieurs, sur l'émission Franco euh, Aoussa, présentée par la Miss Rim. La continuité de l'émission tout ça la Fada, c'est dans un instant. On se prend donc au plaisir à demain. Même heure, même fréquence. C'est que la donne qui va changer. Sur ce, yes, hey. tout ça. Retour à la fada installée a la radio kausen 94 MHz yo su suka buɗe mana da matasan namu na fada muna nan muna hirbu kan business kin da suke cuwaco da ake anan arlit nous sommes euh, à cette fada avec euh, Issoufou Jida Hassan Ali Ousmane le président de Noma Touchan qui Kamaya aussi, le président de l'Ajab Hashimou Chamsou le deuxième vice-président de la CITMA il est euh, le représentant aujourd'hui à la fada des Kabkabu Taximoto Adereta nous sommes avec Rabi Rabi Ibrahim, elle, elle est la présidente de la coopérative Elles sont dans la couture. Tous les autres jeunes qui sont ici à la FADA, tout autour de nous, Zam mu ci gaba da wannan hira tare da wannan tambaya. Ina so in san cikin wannan sana'a da kuke yi. kuna euh, samun ça marche là, ça va? euh, kuna samun abun hannunku? Ana dan ga wazan so eh, in zo gare ka cin sana'a da kake sawa ga yan sunan eh, na yakubu ubali ni ne president na matasa na cooperative cure epo ya ne comment se porte eh, le secteur cure epo ouais la launi wallahi les jeunes arrivent à s'en sortir cikin wannan secteur kinaku ba azance ba azance <laughs> eh yanzu ne zan bayyana miki komi eh. ina jin ka gaskiya kama mu matasa ne wanda kama mu yanzu mun yi mun wuce yanzu kama mu ce sai mun tsaya kama an zo an kama wani abu cikin mu yanzu matasa ne masu cin gashin kansu kin san menene cin gashin kai masu neman na kansu ne ba sai mu yi zamana ba ko alhamdulillah kama cikin wannan sana'a ta na yi abubuwa da dama wanda gaskiya kama mun samu ci gaba kama misali ka taso gidanku mhm, mhm. kai ɗaya ne sana'a har ka je ka kamo wasu ka koya musu sana'a ah, gaskiya an gode Allah ci gaba wanda ya wuce wanga gaskiya an gode Allah aha to shine la eh. clientele ça va yawa kuna samu su waye client kin naku cikin wannan sector kin da kuke dan gari da masu zawwa kuma saboda ana tura wani wuri Ah, a lokacin nan da kama ba mu san wasu abubuwa ba mm. amma yanzu da shi da muka zo muka samu farmasiya Birema alhamdulillah da da mun kama sai mu watse da mun kama sai mu watse yanzu anan a cikin cikin kowane cikin sector da activity kin shi akwai kaman wata structure in eta hakan ga ko wata ONG da ta kama muku fara gare ka assalamu alaikum wa alaikum salam eh isufu mhm isufu jidda kiwo bunƙasa ƙasa mhm. to alhamdulillah kama a tambaye da kika mani. Mm. za na koma baya ga yakuba ubalen da ya magana kaɗan mm-hmm. kama yadda ya ce miki ta harka matasa association haka wanda suka ja mu har muka zo ga wanga abin mm. kama yanzu zan baki misalin kaina ni yanzu kama daga ajab ta ajab ne na fito na je can suka ba mu formation kuma ajab ita ta kama da ta ya dai har Allah ya sa muka samu wagafi na sama ta fara mm. kuma yanzu ma muna nan muna jira mai kuma mun na dai samu a jafin ido kuma ina fatan cewa ta ƙara samu mana wata uh-huh, uh-huh. Mm. ina fatan cewa eh su uh-huh. ƙara samu mana wasu wani zamu ta kamar yanzu yadda tsarin yake kamar a jafin ga ita ce in aka ce ta abado matashi kaza daga ajab na fita na ta yi ambushi da na ji aka ba mu farmasiyon kuma jafin inga suka yi kiran mu suka ce to ko ishirin inga ya kamata ku so ku haɗu a muku takarda vous êtes vraiment, vraiment, vraiment aux côtés des jeunes là. Mhm. Voilà. Au fait, comment vous des mhm. il y a déjà eh, le conseil communal de la jeunesse qui est là. À chaque fois qu'il y a une opportunité eh, d'emploi ou je ne sais pas de formation, eh, déjà la commune euh, fait appel à, nous. Mhm. comme ça, on touche les structures des jeunes pour pouvoir en tout cas amener leurs représentants. Ok. Aka ah, c'est gagné. Par exemple, gani yau for l'éducation c'est une association ta turo JCI par exemple ta Ajab ta turo suna c'est Abbas formation ainsi de suite. Voilà comment ça se passe. Sinon pour revenir à ta question je, je, pense que je vais revenir il y a déjà euh, vraiment le barre de fonds qui sont là. avant les gens font des, des, je sais pas désirer dire que c'est une c'est une ville minière qui bat sur la commune, font tout. Alors que c'est c'est ah, pas c'est pas tout à fait vrai ba kamata bane kudin ma kasu akwai kudi akwai kudi me yanzu deja le partenaire sun sun wara ganewa suna zawa suna zawa suna kama an kadi ba yanzu kamar su OEM na CJZ PPDZ duka suna zawa suna financer des des projets des jeunes des initiatives des jeunes donc vraiment c'est quelque chose de bien je pense que ceux qui écoutent déjà Studio Kalangu ont fait appel aussi à eux de venir encore investir à la jeunesse les jeunes ont du potentiel et vraiment, ils ont besoin d'être poussés. Ils ont des initiatives. To, kun je le président yayi magana. Ma yaki ya qui yakin. Yana dai, y ya ce dai ku zo dai, <laughs> ku zo Arlit, <laughs> ku zo Arlit, les jeunes d'Arlit, ils sont top, ils sont vraiment engagés, ils sont déterminés et euh, vous pouvez compter sur eux. On est les seules filles ici. On va bien que les filles, on <laughs> benefice cikin kungiyar ta ku ta mata kun yi benefisan da irin wannan eh, opportunity kin OEM mhm. e eh okay finansaman mu mm. shine aka kama mun shago aka sayan mun kaya mafaracin da muke cikin shago mais on voit bien que au fait c'est en bonne voie donc c'est l'occasion mu taimu shakata cikin wannan shirin namu kan mu dawo da tambayar mu ta karshe a wannan fadar tamu on va écouter bien piano de Gaze Bond et on se retrouve juste après Ibema Ali yaro ka zo ka sha zariya dan biyano haka ne ya kasance mu zo mu sha zariya biyano ga tutar gabas ta yamma sai dai biyano haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado yake buga mun kan zan mu sha zariya biyano yake buga mun kan zan mu taka rawar biyano yake buga mun kan zan mu taka rawa ta gado Avec ta pobe Alexis Stan ou à Manchester Takarawa Moi je porte du bouze quand c'est sombre les zones tous à l'aise Doka kista ya mouché Wana da jizo mouché Mouché fa mouché ka abraka abaye inala Ya kaga banka kamata ka sala Ya ka ina alibanka ga banka kamata ka sa alibanka Ina tukudi ta sau saba in ka dar magari Ka kura daga mashi kai da madadar mata mouché Tun tubu sa kai ka daga ka aje Dumuli jazari ya fa mouché Jazari jazari jazari ya de l'année pour l'année des années, ça c'est pas chaque année de l'année, ça c'est fait chaque année, chaque année que j'ai c'est da ma cité. Kai yaro ka zo mu taka dan biyano, haka ne ya kasance mu zo mu taka rawar biyano. Kai yaro ka zo ka sha zariya dan biyano, haka ne ya kasance mu zo mu sha zariya biyano. Ga tutar gabas da yamma sai dai biyano. haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado yake buga mana akan zan mu sha sai ya biyano yake buga mana akan zan mu taka rawa rawar biyano yake buga mana akan zan mu taka rawa ta gado Allah la ilaha illallah gaji Muhammadu retour à la fin da bayan wannan wakar. Mais voilà, aujourd'hui, à la fin, vous l'avez compris, on parle entrepreneuriat des jeunes. Qu'est-ce qu'ils entreprennent les jeunes Darlit, où ça marche On a eu les tuyaux, cuir et peau, et euh, l'agriculture. Yayane. suna samun abin da ya kamata suna samun abin hannunsu a ciki yanzu za mu zuwa ga matsalolin da parce que tout ne peut pas être rose. Là, on va parler des problèmes. Yanzu akwai wanda yake iya wanda bai samu yayi magana ba da yake iya magana ba kan matsalolin da ake iya samu cikin wannan harkokin na business. Hein, ka gaya mun sunanka. Voilà, merci. <clears throat> Donc, uh-huh. euh, pour commencer, merci. Mungo de ma studio Kalangu. Merci à vous. En l'occurrence, euh, <laughs> par le biais de la radio Kausen. Ouais. De ce que va madame Amka Gamou. la radio Kausen. Hein. Voilà. Merci radio Kausen. Très bien, merci bien. <laughs> Sunana Ali Alas Amoumoun. Me ba da shawara ne ni. ma'ana conseiller d'orientation d'accompagnement d'insertion ma'ana masu ba da ah, shawara vraiment vraiment tu sais de quoi tu parles voilà Super. merci <laughs> très bien <laughs> donc dangane da matsaloli da matasa suke gama da su matsaloli ba su karewa hmm. ba su kare alfole dir parce que a wani lokacin matsalolin matasan sukan tunani cewa furke ka samu kanka cikin cin gashin kanka sai ka kasance mai kuɗi sai ka kasance mai mota sai ka kasance wanda ya tare wani abu parce que duka kalan da ake ma entrepreneur an entrepreneur da kake zuwa kuɗi kake fara da su kawai da ka shiga kawai mai alhamdulillah avec les formations kin da suke samu wa'ansu sun kai inda har suna iya ba da fassara mai ake ni da entrepreneuria kuma mai ake ni da cin gashin kai que yau a cikin su duka da suka samu formation kin nan kashi 30 kin su wanda suke tunanin cewa furke ka kasance wanda ke ba da furke kasance wanda ke cin gashin kanshi sai ka samu kuɗi sun dawo sun gane cewa su da kansu ne za su kirkiro ake projet kin da suke tunanin aka ce projet masu kuɗi ne a'a projet fasaha ce ka yi tunani ka sarrafa ta ka saida ta ka samu kuɗi ka yi plan d'affaires kinka alhamdulillah duka cikin su wanda suka benefice ta nan suka biyo e je dire matsalolin da suke samu ba su wuce kara suka karya ba na farko zaka iske wani lokaci matasan suna da ide de projet me mhm. menene matsala manka da barikin da zai finance su ɗauke mm, su zai finansan ya cikin ɗayan abin da yake ɗan frenan matasa la deuxième des choses c'est aussi c'est manque d'appui je dirais d'un autre côté de formation les formations okay. les jeunes ne sont pas tellement tellement tellement formés en entrepreneuriat. To, hein, ina Voilà, ka. Président. Allah bin dalit que les gens ont fait perdre de vie parce su kama mutane qui ki Il a gagné au Montagne, il a un abun sha iya balkashi da Mais il préfère partir sortir ailleurs acheter que voilà. Vous voyez ce que ça fait ah, Ça ben fait mal. Ça, c'est un problème. Ouais. Qu'on doit, on ne doit pas perdre ça de vie. On consomme pas local, on doit hein. consommer local. matasan arlit dai aikin ma ana so aikin hannun ma ana so kuma an ma iyan kai amma dai kun shi dai matsalolin su sun yi zancen rashin tallafawa da ba su samu da taimako da ba su samu da kuma da in suka yi kin hallo sai a shi a siyo wani wuri ana ganin nasu hallo kuma nasu alahi ba gare shi to yanzu kan yi ban kwana ah, official man tare da wa'annan matasa na mu gaito zan mu ba Olivier shi kuma dama ya zo mana da kronikin shi ta yau Olivier a kake da dama <laughs> tu vois non moi je suis euh... super je suis comme poisson dans l'eau tu bien tu es bien installé <laughs> je suis bien installé le tonton d'Aris il est super gentil des jus par-ci de l'eau par-là il croit qu'avec ça il va nous faire oublier la calvaire de la route on va jamais oublier la voix là c'est chaud hein. <laughs> Uh-huh. amis auditeurs et auditrices bonsoir chers amis de la bonsoir à vous. Bonsoir, Oli. Eh bien, je suis arrivé à Arlit et je me suis dit sur quoi je vais axer ma chronique. C'est vrai que sur la route, j'ai écrit beaucoup de choses, mais ma décision a été changée, tout simplement parce que la voie qui mène à Arlit, c'est une voie, je dirais pas difficile, mais c'est une voie en tout cas compliquée. <laughs> Nous, tous ici, à la FADA, nous savons l'importance déjà d'une nouvelle route, un nouveau pont ou encore des nouveaux caniveaux. Mais comme la répétition, elle est pédagogique, nous allons quand même nous répéter ce soir. Eh bien, selon les compiles des résultats de plusieurs de mes recherches, on retient que construire des routes et des ponts est un des moyens pour rendre plus compétitif une région ou encore un département. Pour les particuliers, c'est-à-dire vous, moi, nous tous ici présents, une nouvelle route est une nouvelle opportunité de construire de nouveaux pôles économiques dans une zone. Un nouveau pont, par exemple, permettrait aux habitants des deux localités d'acheminer facilement leurs produits vers des marchés porteurs. Pour les États, une nouvelle route, c'est certes des dépenses, mais aussi des frais en frais de péage et aussi des collègues des taxes et au niveau des taxis et conducteurs de taxis moto Au-delà des raisons économiques, amis auditeurs, les voies de communication sont également des moyens de liaison pour les peuples et les nations. Elle relie les communautés et les offre des opportunités de partage. Alors, quand on revoit un peu l'état de la route qui mène de Niamey à Arlit, on peut se tenter de demander quel est l'avenir de cette région si rien n'est fait. Parce que là, on est en 2021. Quel sera l'état d'Arlit bah, en 2030 si la route est toujours comme ça Votre avis m'intéresse. Avez-vous envie d'ajouter quelque chose Oui, quel sera, selon vous on ferme les yeux, on imagine Arlit 2030 avec la route ci Arlit 2030, je pense qu'avec cette euh, route, si elle reste en tout cas la même je pense qu'on sera coupé du monde. On ne peut pas transporter, on ne peut pas importer. Bon, en attendant que euh, le pire soit évité, rendez-vous demain dans la deuxième partie de cette chronique et on va parler de l'importance des voies de communication dans le développement d'une communauté. Parce que c'est deux phases, la face A et la face B. Parce qu'une voie, c'est un aller et un retour. Demain, on check le retour. D'ici là, portez-vous bien. Merci bien, monsieur Oli. Merci bien pour ta chronique. Ah, t'as trouvé le sujet, hein, je te jure. Hein. La route, hein, il faut en parler de tout ça, la fada français nous étions avec les jeunes Dalit, euh, Il ressort que vous êtes vraiment engagé, vous êtes vraiment euh, Vous pensez à beaucoup de choses, vous avez des projets, vous avez euh, des initiatives très belles. Euh, vous avez besoin aussi d'appui, de formation, de financement, un peu comme partout au Niger kuna so a ce vraiment vraiment vraiment vu qu'ils veulent vraiment s'en sortir justement vous allez discuter avec mon nouveau binôme cette fois-ci je suis pas avec Dandy auditeur, ne sera pas de la partie, mais j'ai notre point focal, Habibou Garba, va remplacer Dondi za a hira bisa kan matsalolin gana ku. Voilà, ne nous cache rien hein, sur la fada. Sai mu ce a huta lahiya.